j'ai été impressionné personnellement par la thématique qui a été proposée euh, parce que la thématique rime avec l'actualité du moment. En effet, ici, nous avions appris euh, le rôle qui est le, nôtre en tant que jeunes. Euh, il faut le dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte électoral et que la quasi-totalité des jeunes sont enregistrés sur euh, le fichier biométrique, ainsi pour dire qu'ils ont leur mot à dire. Donc euh, cet échange ou bien euh, ces, communications ont servi d'un cadre idéal pour nous jeunes, n'est-ce pas, de connaître nos missions qui sont euh, nos, ainsi bien que également le comportement que nous sommes censés, n'est-ce pas, adopter en, en, face de ces élections-là qui sont à venir. Oui, la thématique, elle est réelle. Elle est réelle à partir du moment où aujourd'hui eh, les jeunes ont un comportement eh, qui ne rime pas avec euh, eh, les pratiques démocratiques. ils sont manipulables. Ils sont en quelque sorte considérés comme une manne électorale. On peut les moyenner au moyen de quelques billets de banque. Donc euh, il va falloir que les jeunes donnent une nouvelle identité à la politique, pour que, n'est-ce pas, leur rôle ne se résume plus, n'est-ce pas, à être considéré comme un bétail électoral, mais aussi et surtout des choses qui sont qui sont utilisés que pour un besoin du moment. Les jeunes doivent comprendre qu'ils ont leur mot à dire. Ils doivent contribuer de façon démocratique pour construire notre pays avec des pratiques euh, vertueuses, avec des pratiques démocratiques pour ainsi donner euh, une bonne démocratie à notre pays.